Senegal actualité, et eh bien actualité au sein de la mouvance présidentielle avec, et eh bien, avec un rouleau yamba aux allures de Djouli Goumbe, voire de Berebouke Gbab sans précédent. En tout cas, Tribune continue de révéler que Ndeketeyo, yo Beno Bok Bakar, Astafourla, Beno Bok Yakar, et eh Bok Yakar, sur une mauvaise, et eh bien sur une mauvaise pente. Boule de connaît, Wallahi Talai, on atteste, et bien on atteste la rébellion, et bien la rébellion qui s'intensifie, et bien qui s'intensifie contre, et bien contre Amadouba au sein même, et bien au au sein même de Beno Bokiakan nous livre Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, et eh bien ce matin, le journal du groupe des médias de nous informer que dans la mouvance présidentielle, tout le monde, et eh tout le monde se soupçonne d'être, waouh, waouh, bon, Beno dans une mauvaise posture à quelques mois, et eh bien à quelques mois du scrutin présidentiel. Voilà ce qu'il a lieu de retenir, et bien voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, et bien ce matin, Wolf quotidien, Wolf quotidien de révéler pour sa part attaque, et bien attaque frontale, et bien attaque frontale contre le candidat de Beno Bokiakar à Amadou des hauts et des bas. Est-ce à dire, eh bien, que Tchaf, Dine pour Amadou Ba Au ce que nous livre Wolf Quotidien ce matin, pour l'instant, ce que tient à indiquer Ligue Quotidien et à lire à ça une. De quoi s'agit-il exactement Eh défection, défection dans les rangs, dans les rangs de Mamboy Yao, des leaders, eh des leaders de sa coalition se rangent totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément derrière, et eh derrière Amadou Ba. Amadou Ba, et eh Amadou Ba qui aura probablement, et eh probablement de quoi faire, et bien, de quoi faire du tchourpi tchourpi fait en lisant, eh bien, en lisant l'exclusif quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir une belle offensive du maquis dans la guerre de la présidentielle de 2024. Que dire à ce sujet Sinon, le camp de Mamboy totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément décimé. En d'autres termes, Mamboy Gao eh bien, Mamboy a été vidé, eh bien, vidé de toute sa substance. Détoile. Waouh, waouh. En tout cas, eh bien, en tout cas, dans cette opération, eh bien, dans cette opération matérialisée par la belle offensive, la belle offensive du maquis avec à la clé le camp de Mambo Igao totalement décimé. Il faut retenir d'après l'exclusif l'artisan. De qui s'agit-il Wai Eh bien, de Abdourahman Baldé alias Dora Baldé. En tout cas, Dora Baldé est passé par là. Voilà ce que révèle, et eh bien voilà ce que révèle l'exclusif ce matin. Ce matin, le journal de nous renseignait que Elad Mohamed Lamine Seydi, coordonnateur, et eh bien coordonnateur national du mouvement Watosite, d'expliquer pourquoi, et eh bien pourquoi il a tourné le dos à Mambo Igao pour atterrir chez Amadouba. Bon, Amadouba qui aura de quoi faire bleu. Asawai Mamboy Yao grâce et eh bien grâce à Abdouraban Baldé alias Doura Baldé au regard de ce que révèle l'exclusif, le journal d'ajouter des responsables nationaux dont le secrétaire général des délégués régionaux, départementaux et communaux et autres grosses pointures, grosses pointures tournent le dos à l'ex-DG de la CDC, comprenez Mamboy Yao pour rejoindre et eh bien pour rejoindre ben Bokia, Yakar, ça veut dire quoi Et eh bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire d'après l'exclusif quotidien que le nouvel homme fort, le nouvel homme fort du Fouladou. C'est Abdourahmane Baldé, alias Doura Baldé. Information à lire dans Vox Populi. Le journal, en tout cas, d'indiquer Doura Baldé déleste, eh Yao de son secrétaire général et de neuf, eh bien, de neuf de ses délégués. Et c'est avec précision que Vox Populi nous livre, eh nous livre la maestria, eh bien, la maestria politique signée Détier Fall. Fall, ou le non de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité, dans l'exception. En tout cas, collecte, de eh mes collecte des parrainages citoyens, la leçon, et eh bien la leçon de Détier Fall aux politiques. Voilà le titre de Vox Populi ce matin. Ce matin, le journal de renseigner son parti, comprenez le PRP, collecte, et eh bien collecte 127 453 parrains pour ensuite, et eh bien pour ensuite céder le terrain aux autres opposants. Informe bien entendu Vox Populi ce matin. Ce matin, et bien ce matin, il y a l'info quotidien. Il y a l'info quotidien qui semble révéler que Ndeketeyo, Ndeketeyo, plus d'un plus politique, plus politique que Détier il n'y en a pas. Alors là, pas du tout. Du tout, du tout. En tout cas, parrainage, Sonko, Macky Seda, Détiefal. Eh bien, Détiefal en roue libre renseigne l'info quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal, l'autre journal qui s'intéresse aux candidats polytechniciens à la présidentielle de 2024. Détiefal, en l'occurrence, cette tribune quotidien. Le journal, eh bien, le journal, en tout cas, de révéler les propos de Sawai. Détiefal, Détiefal, à savoir, tous les candidats sérieux doivent participer. Eh bien, participer à l'élection. Ou le BOG, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre sinon ce que et eh bien, sinon ce que révèle le point actuel ce matin, le journal en tout cas d'affiché présidentiel 2024, Barthélémy Diaz, et eh bien, Barthélémy Diaz et Détiéfal et Détiéfal tire, et eh bien, tire à boulet rouge sur Macky Sall. qui aura de quoi dire, wow, go good job, nice, cool, fine, au leader, et bien, au leader de la S2D, Yonouna Tanguay. Comprenez Souleymane Ndiaye alias Borob Casamance. Au regard, et bien, au regard de ce que nous livre le point actuel ce matin, le journal d'indiqué présidentiel 2024, mais présidentiel 2024, Souleymane Ndiaye, et bien, Souleymane Ndiaye, DG de la Sapko et leader de la S2D Yonou Natangé. Comprenez le borom Casaman, Saïrman et Batidman. Collecte, et eh collecte 112 000, 112 220 parrains pour Amadouba. le Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de dire. Dire que Dieu est grand, mais Anta Babakar Ngom, Anta Babakar Ngom n'est pas petite. Voilà ce qu'il faut faire en lisant le témoin quotidien ce matin. Le journal de révélé accueilli, et eh bien accueilli chaleureusement, et eh bien chaleureusement Azigen Shor, Anta Babakar Ngom, reine, et reine de Casamance, renseigne aujourd'hui le témoin quotidien, le journal en tout cas d'indiquer la candidate du mouvement alternative pour la relève citoyenne, faire renaître, et eh bien faire renaître l'espoir, et eh bien l'espoir d'une Casamance de paix et de développement. Que dire à ce sujet Sinon, Anta Babakan Gom, Anta a rappelé, et eh bien a rappelé au Kazassé à Situé Yata. Au regard, et bien au regard de ce que nous livre le témoin quotidien. Pendant ce temps, le quotidien Yor Yor, le quotidien Yor Yor, de nous livrer une information, une information Kouroubaïfal et Mbolde De quoi s'agit-il, eh ben, de fal, Fall. la à la barre du tribunal correctionnel le 22 novembre prochain. <laughs> bon, les avocats, eh ben, les avocats de pros, comprenez la porte du Bourroc, Ousmane Sonko, eh ben, servent, une citation directe, directe au directeur général des élections, <laughs> informe, eh ben, informe Yor Yor quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, en guest édito, c'est Amadouba, cadre de PASTEF, qui s'adresse, eh ben, qui s'adresse au président du Conseil constitutionnel. Pourquoi faire? Eh ben, pour dire non, monsieur le président. Objection, l'objection Accordé par source A et adressées, eh et bien, est à El Malik de Pastef les Patriotes. En tout cas, invité de la rédaction, El Malik El sans tabou dans source A ce matin. Ce matin, l'homme, comprenez El Malik Ndiaye, membre éminent ou éminent membre du parti Pastef les Patriotes, dans source A d'expliquer ce qu'il a lieu de dire, à savoir, nous ne sommes pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout des opposants du jour et des négociateurs du soir. Ce qui semble compliqué dans cette histoire est à lire justement dans source A, le journal, en tout cas de nous informer, Pape Sané, Pape ça toujours à la section de recherche, les confrères d'Allo Dakar déférés, saltant pour les journalistes et la presse. En attendant, passons au quotidien, le quotidien. Le journal nous amène à Kédougou avec à la clé la tournée économique du président. Pourquoi faire Eh bien, pour souligner les cadeaux d'adieu, les cadeaux d'adieu de Nyangal National, universel mondial. De quoi s'agit-il, Wai Eh bien, du désenclavement et accès à l'électricité en hausse. Mais celui qui est en hausse en termes de cote de popularité, d'après Réumi Quotidien, c'est monsieur le ministre des Finances et du Budget. En tout cas, adaptation du budget aux urgences climatique, Réumi quotidien d'indiquer le Sénégal, et eh bien le Sénégal, à l'heure, et eh bien à l'heure de la résilience verte, et eh bien d'où notre intérêt de prendre direct du ce Le journal, en tout cas, de titrer Forum de haut niveau, de haut niveau sur le financement de l'action climat, Moustapha Ba. Décline, et bien décline la vision du Sénégal. Donc, naturellement, Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, traduit fidèlement la vision du chef de l'État en acte à ce sujet, au sujet de la crise israélo-palestinienne. Il y a dans le tribune quotidien la posture monumentale, voire majeure pour le pas chirurgical... du réseau des universitaires républicains, dirigé de main de maître par le professeur titulaire Moussa Maldé, ministre de l'enseignement supérieur de son État, qui se prononce. Eh bien, tribune quotidienne indiquait qu'aujourd'hui, eh bien, qu'aujourd'hui, la situation à Gaza interpelle, eh bien, interpelle le RUR, comprenez, le réseau des universitaires républicains, qui considère à plus d'un titre que le Sénégal, eh bien, le Sénégal réitère son appel à la communauté internationale afin qu'elle intensifie sa mobilisation pour une solution juste et viable à deux, et eh à deux États et en l'État. Il conviendrait de terminer avec l'As quotidien. Le journal, en tout cas, de parler de résurgence, de résurgence de la tête négrière dans la pêche. Pourquoi faire Eh bien, pour nous dire plus de 100 000, plus de 100 000 pêcheurs réduits en esclavage. Et là, mais là, tu donc, mais là, tu donc, Allah. bon, que Dieu préserve le Sénégal. ana yallaahu yéen a kaay bi média bi naan mante coalition boobee moo boot Amadou Ba moom coalition bi ci boppam moo daal di sëgg gësam te aatuma maa mën na yegg teer ñaan dëgg-dëgg moo mën a téye Benno Bokk Yaakaar ba boppam bii du laal suuf fippu gaa ngi mel ni tulleeg maale te fippu gi dara andiw ko daal di ñaxtu nag tabb gi nga xam ne tabb nañu Amadou Ba mel ni ku naan Amadou daal daa mënul fa yallaahu xeer yi di ko dalee fu ne moom Amadou Ba Walf Quotidien naan kon déet Amadou kay mi ngi mel ni ku tëb dal ci xal dese na la geneen tëb moom Amadou di yéegee ba gaa yi téen gaa yi naan kon wàccal ci suuf Amadou daal di wàccaat ci suuf tribune yéen kaay ne ko kaay ma xamal la yéeg beeg wàcc bi day kenn defu ko kudul coalition am nag di benno bokk yaakaar ñoom mouvance présidentielle yi kenn daa wóoluwul moroomam ba tax na Amadou Ba mi nga xam ne moom président Macky Sall tabal na leen ko sax ma ne la wul ko bennoo daal di nekk ci guddi gu bër setagul loo xam ne fa yàllaaxu mën na leen ñàkkloo élection yi à tout moment le point yéen naan maan moo ne ña ngay ci maam booy jaaw ay nit de lu toll ci juróom ñeenti délégué ak secrétaire général bu Mame Boye Diao ba waa APR daal di nañ koy jël moom Mame Boye Diao daal di ñàkk ay élément waaye ñàkkit clé USB ba nga xam ne moo defoon ay parrainage am Vox Populi daal di xam le ni moom Doura Baldé moo fa jaar daal di foqar ci Mame Boye Diao ay élément élément yi nga xam ni dem nan daal di xam le ni mani la vision ci boppam lañ gisul ca Mame Boye moo tax mu dem le peuple quotidien naan amul de gars yi nee nañu Adous Fall ci boppam dafa bëgg nax Amadou Ba ngir lekk alalam waaye man la dub mandataire barki démboo la ñëw ci coalition bi naka lañ ko mëna wolo ba jébal ko seeni parrainage xam nga ku gëm li ba jël Adrous Fall mi def ko mbeur di nga mat sa loxo wi le témo yene kay nan man boba Anta kar nga ma nga yëngal levo Casamance kainan yene kay nan kon déccé Fall tok fi ci Ndakaaru di wax déccé nga nan lu tollu ci témir ak ñaar fuk ak juroom ñaari junni yu tek ci parrain am ko di ak ndortam déccé ne bana wutu parrainage yu bayé la ci dess dess ci opposition bi fukki fan ak juroom ñaar ci wéru novembre gi lañuy xaar mom modi Ousmane Sonko nak daal di duggaat ci liste électorale bi El Malick Ndiaye ci source a naan ko may ñu rek xam nga Ousmane Sonko gone liñ def ndakaaru gii def nañ lu ko raw pare te kenn téyewu leen te kenn toppewu leen sax wàllu terrorisme ñun suñu opposition bi dañ ci amul négocier moo tax nag ñu jàppee ñu ñu radical te ñoo tey El Malick naan Ousmane suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg coow la mooy nag ndax la di sa daañu ko ko nangulee ni yor yor yéene kaay naan man en tout cas avocat yi daal dina ñuy jébbal ab citation directe xam ne mooy directeur lankal ne nag du leen jébbal ay parrainage Ousmane Sonko moomee vox populi xamal ma ne daal dinañ koy delloo Cap Manuel awoka am di ko lu ne daal dinañ koy jëlee ca réanimation ba daal di jébbal Cap Manuel waa administration pénitentiaire ne déet Ousmane Sonko jébbaleem Cap Manuel bi ci boppam médecin moo ko daal di le ne mën naa génn réanimation mën naa delluwaat kaso Déthié Fall ne leen kaay président Macky Sall ci boppam waree fa moom moo di bañ a tànn ceeb bi na bàyyi gars yi daal di bokk ci élection bi Déthié Fall ci turbine yéen a na ñu yi nag laa wax candidat yi nga xam ne yu sérieux la na ñëpp bokk ndax Sall ngaari nag moom ñaari xeetu dax ci élection la yor benn bi mooy yoon la lay kalaameel ñu daal di rëq sa ndigg ba ca des nag moom moo di parrainage yi lan lay najee doo bokk décce naan ko doy na rek naan ñoon ñu dolli la wis la te wis goo xam ne yokkub chômage lay doon wis boobu tëj daara yu kawe lay doon wis woowu yokkuk njëg lay doon wis boobu ndaw yi di fippu di dem di màngaani bitim réew lay doon 24 heures yéene kaay jox kàddu Mamadou Lamine Diallo mu mel ni ku naan ndaw yi nag ñoo yay dem de ci yoonu Barça waxtu woowu moom Sall ngaari lam tooro ma ngay wuti am xëy ca France turbine yéen kaay naan kon moo ne gaay day tàyyi wunu ci wëral ko parrainage mani la Moustapha Junior Thiam coordonnateur départemental s d bu Nioro xam ni téeméeri junni la ñu bëggoon fi mu ne nag ñi ngi yootu téeméer ak juróom fukki junni ci parrain ñoom ñi ànd ak Souleymane Ndiaye daal di xam le ni dooleel na leen ngir ñoom it ñu ànd daal di dooleel Amadou Ba te képp koo xam ne yaa ngi def kéemtalaay kàttan ngir yàq bile liggéey da nga ñoo daal di mi ko dañee may xamal ne moom ministre du budget yi daal di nay takku daal di xam le ni lépp loo xam ne budget la léegi dañ koy méngalee ak jaww ji na muy daal di doxee le soleil yéeni kaay naan man boobu président Macky Sall ma ngay rogo jéeru di xool waa Kédougou daal di yeesalaat Mako Kédougou Saraya ak Moussala tali boo xam na ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ci kilomètre daal di yeesalaat Bembu Xosanto Sabadola ak Kayaan tali bi dox diggante Kédougou ak Selimata daal di nañ koy dalloo daal di jeexal ak njàqare inauguré tegi xeer ba nuppi nga ñëw wax yow président de la république Macky Sall lii nga xam ne mooy moo yitteeg sénégalais yi manifestant yi faatu nañ fi sakan lool ci coowal Ousmane Sonko li ba tey France daal di xidéem andi woo ci lu leer yeyoo yàbbi woo léttoo firi woo sàll ngaari leeralal benen coow moom moo di nervi yi nga xam ne am nañ ci réew mi ñu gis leen nag saa bu manifester amee ñu génn caxat caxatee askan wi nervi yooyee yeyoo ci yàbbi woo ci enquête amu ci kenn leeralu ci kenn bëgg nañ yow sàll ngaari lam tooro balaa ngay dem daal nga leeral xool covid 19 bi fu mu mujjee ak xaalis bi nga xam ne dañ la ko nataloon sa gafa ne la fajal askan wi rax ci dool yi nag bu ñu xiif bu ñu mar ñu gis ni junni ci ay milliards tàbbi na ci loxol ñenn ñi ñi ca ëpp nag nekk say jëwrin wala it ñenn ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak say jëwrin boobaak léegi France daal di xiddeem coowal covid 19 yi waxunu ci alal joojee askan wi moom ko askan woowee tey toog di tumuranke waxtu woowee ñu yoral leen alal ju ni toll président Macky Sall balaa dem leeralal ñu lii turbine yéen bi nga xam ne dañ ci taxaloon présidence ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam bi yow sàll ngaari lam tooro bur géde waay waay leeralal ko sénégalais yi ñeen fukk ak ñetti milliards yooyee mu daal di leer lëlëj ci réew mi ni wëñ daal dinay bëri alalu askan wi daal di tàbbi géej daal di bëri te say jege ñaale lañ ciy daal di tudd caxat-caxatee géej ñu ciy tudd say jege ñaale sàll ngaari bul nu bàyyee kumpa leeral nu lii fu mu daal di mujjee waxtu woow yéen kaayib des média bi daal di ne kuy lijjanti sénégal ci boppam man laa xamul xale bii ab taalibe la saa bu fàqee ñëw lañ koy dunduloo maar day taali ba mu ñëwaatee xam xam ne tey sëriñam du ko may dara moom taalibe bi ci boppam moo daal di faat ci anamu ñaaw sëriñ bi nee na ngir fayu l'observateur nan kontes yaa ngi kii ab paala boo xam ne dafa bëggoon boole ña doon dem màngaani gaa yi daal di koy kidnappé dugal ci gaal gi ànd ak moom barsa yéeni kaay bi naan man chauffeur bi yëpp ab xale bu jigéen dem ba ci digg yoon wa daal di tijji baraaketam ne xale bu jigéen bi téyel te nga sex xale bu jigéen bi ubbi oto bi daw daal di tëb daal di daanu ci tali bi daal di gaañu laaj ci samp bari na lool te la ngeen di laaj manit moom laay laaj ci sama xel ak lu mën mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm